sànq la seeree boobu génn le vingt mars bi passé euh, la génn ñu defar clip defar euh, benn single pour euh, rendre hommage am participation 23 artistes ci affaire boobu noonu donc tey ñu indil leen ko pour mu expliquer leen affaire yi fan ben merci Mame Famor affaire bi mu ngi jóge ci benn idée idée boo xamante ni Fakoli moo ko balancé donc ñun ñu partagé idée bi parce que euh, quand elle a l'idée, la première personne à laquelle elle a pensé mon monnaie demande en tenant compte de, notre proximité. Euh, j'ai été d'ailleurs euh, immédiatement j'ai accepté de participer au projet. Donc école donc on va le faire à deux. Et donc c'est à deux qu'on a entamé le projet. puisqu'elle avait la chance d'avoir un studio chez elle, moi je me suis occupé de la partie artistique, c'est-à-dire la conception avec artistique. Euh, pour ñu etc. bon plus encore les autres aspects techniques Madame clipier etc. donc c'est en ce sens que de réunion en réunion on a rencontré en cours de route un ami personnel euh, qui est devenu finalement un ami commun qui avait aussi un projet dans Bocandé mais dans, dans le sens euh, d'un documentaire avec d'autres sujets. Donc on a mutualisé maintenant nos efforts, moi Pape RTS, et on s'est constitué en comité Coviboc, comité Viva Bocandé donc Viva Bokandé dans ce projet effectivement il était prévu que nous gagnions Ben single euh, ensuite euh, imager single à travers un clip un support de communication beaucoup plus euh, comment dire encore nga xamante maintenant dinañ ko on a fait. ensuite euh, mu euh, la première partie du projet mais c'est vrai que Bokandé c'est un patrimoine national et que chaque personne aujourd'hui a le droit faire une activité autour de Bokande. mais quand l'activité est euh, sur des bases euh, pécuniaires, il y a immédiatement euh, sa famille qui a cette autorisation là donc nous on avait prévu peut-être de faire d'autres activités peut-être que c'était des activités qui but lucratif mais puisqu'on n'avait pas l'autorisation des des parents on avait réduit nos ambitions heureusement qu'on a trouvé euh, la famille Bokane Qui euh, vraiment de manière extraordinaire je n'ai jamais vu aussi générosité et aussi grande intelligence auprès d'eux qui ont compris euh, ce que nous avons voulu faire parce que li def def pourquoi parce que c'était normal qu'aujourd'hui... tout sénégalais Sénégal xamante rek jariñ nga sa Sénégal la jox la sa gëdd teg la sa place te fii au Sénégal on a l'impression que muy autorités yi nit ñi on est un peu amnésique il y a eu beaucoup de grands disparus yoo xamante ni aujourd'hui euh, on se souvient plus d'eux seen disparition euh, vraiment dafa mel ni que dafa naax saay alors que à, au moment de leur vie taxawu nañu réew mi taxawaay boo xamante ni ci patriotisme muy ci talent mais aussi ci rayonnement Si jox êtes turu Sénégal fo xamanteni dara yeggu fa politique yeggu fa leneen yeggu fa donc ñooñu il faut que ñu am aussi ay initiative ay sénégalais di certaines initiatives di leen jox seen gëdd di leen et bi nga xamanteni nak ñun lañ ci euh, effectivement puisque ñun ci mbirum musique La musique dafa immortaliser parce que Oumou Farid El Atrache euh, Frank Sinatra etc. de grands artistes Jacques Brel ñun xamatuñ leen gisatuñ leen mais quand même une œuvre nous pourquoi parce que une euh, œuvre dafa fenêtre ci ay support toujours dinañ fi donc musique fa mu yegg amul lu wala ñu tudd ko kër ku au Sénégal doo ko mais musique mën na fekk nit ñi Australie fekk leen Japon fekk leen ba Afrique du Sud donc ci kaw loolu la ñu basé wu nag euh, yàlla dimbali itam ñi nga xamante ni wax nañ leen ko ñi contacté ñëpp muy artiste muy technicien def yi muy dafa que ko def sa ñew ak sa disponibilité ñepp taxaw ni ku ci nek rek di nga delo ñukal bokandé parce que bokandé la lolu aussi euh, limun won nu woon moom euh, nit la won ko xamanteni Sénégal amul droit faté ko te so seetloo ñaari atangi ni ngi fi joggé mu fiy jógee première année bi euh, première anniversaire am télé yeeg radio yi xëy peut-être wax nañ ci mais amul dara lo xamanteni mandat galna ku toll ni ok justement pourquoi vous avez choisi euh, sa date de naissance et pas sa date de naissance. effectivement on a choisi sa date de naissance pourquoi parce qu'on sait que euh, le 7 mai moom date décès le 15 mai moo la date de l'obsèque national. bon entre ces deux dates il fallait faire un choix et pour la date bi nga xamante ni moom la ñu gën a euh, soxla la nekkoon euh, bésub parce que si vous regardez, dans les euh, delloo njukkal yi ñuy delloo njukkal ay nit mawlud du nabi guddig yonent bi bésu juddoom la donc su ngeen xoolee en général dafa nek ay jours yu symbolique parce que ci le ci lañ ko yalla indi la ci aduna donc ñu on a préféré cette date di nga xamante nak datu daatu la nga xamni ne nakar la ñu féetale ko ay ñaan ak euh, yeneen donc euh, mais nag quand même terewul que le 7 mai nous ngi d'autres ci à événements yoo xamante day mettre toujours euh, Bokandé au moins sur euh, ci bëtu nit ñi ci choses nit ñi et comment c'est comment vous avez fait le choix en fait parce qu'on entend pas la bas de on Omar appelle, mhm. sur le tout à fait euh, oui parce que xam dans un dans un album d'hommage il faut faire un choix mais ce choix doit être sur la base d'un concept. Et le concept a été défini en trois ou quatre axes. Un, d'abord, il, faut, il, fallait, il nous fallait une musique euh, qui n'était pas une musique typiquement euh, locale. Il fallait une musique d'ouverture pour qu'au moins euh, tout le monde puisse non seulement apprécier les mélodies, mais aussi il fallait que la musique, cette musique aussi restitue toute l'émotion par laquelle nous avons voulu mettre en œuvre euh, cette mesure-là. Euh, ensuite, il nous fallait faire un choix dans le casting des artistes. Et dans le casting des artistes, vous savez, il y a plus de 2000 artistes au Sénégal. On ne peut pas tous les mettre. Donc, il fallait euh, déterminer des critères. Les critères étaient tout simples. Un, il nous fallait que toutes les générations soient représentées dans cette, dans, cette, dans cette chanson. Génération 1, c'est-à-dire ceux qui pratiquement ont c'est les beaux jours de la musique sénégalaise, c'est les Youssou Ndour, Sek, Baba Mal, Omar Penn, c'est la première génération. Et dans cette première génération, euh, nous, avons, nous les avons fait représenter par Thionsek. Thionsek qui est, et Thion euh, que l'on connaît surtout euh, dans les mélodies. sa voix a une, dégage une certaine émotion et une certaine elmorie et mélodie euh, euh, qui, qui, concourt à toute l'émotion que l'on aurait souhaité à travers ce, single-là. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la génération intermédiaire entre les petits et la première génération. Et dans cette génération intermédiaire, on aurait pu citer Alun Binder, on aurait pu citer euh, on aurait pu citer Cherlo, etc. Mais nous avons euh, mis l'accent sur, sur, sur, sur Falloudien, non seulement par rapport euh, au fait que Fallou, dans cette génération, a fait partie euh, des plus qui se sont signalés sur le plan international. Parce que c'est quelqu'un qui a eu l'honneur de jouer là où seul Ndour a joué, aux, États-Unis, euh, à au Summit Stage. Et le nombre de ces tournées aussi, euh, européennes et mondiales, sont, sont, sont, sont immenses. Donc, nous avons mis Falloudien et ensuite, euh, de, la génération d'après Fableudien, nous avons euh, mis les papes chers, les frères Guisset, etc. C'est ainsi qu'on est descendu jusqu'à des artistes totalement inconnus, euh, mais qui, qui, sont extrêmement talentueux et dont le talent ne manquait peut-être qu'à être révélé. Mais malheureusement, ce n'est pas pour le révéler dans, une composition ou d'émotion ou peut-être dommage. Mais c'est des artistes que l'on découvrira. C'est le cas de, du garçon qui a fait qui a fait la mélodie de la, chanson. Il s'appelle Djedjou, c'est un jeune de la Casamance. Donc, euh, ensuite, le choix s'est porté sur la diversité musicale du Sénégal. La diversité musicale du Sénégal, nous avons choisi aussi de mettre les musiques les plus représentatives, c'est-à-dire les plus euh, consommées au Sénégal. Et c'est quoi C'est le folklore. Hein? C'est quoi C'est la musique folk, acoustique. C'est quoi C'est le mbalak et c'est les musiques urbaines. Donc euh, c'est ainsi que nous avons porté nos choix dans le cadre du folklore sur Maringo Nendion, qui est une euh, chanteuse serrère à Sorano, et Djibi Dramé, qui est mandingue. Euh, dans le domaine des musiques urbaines, nous avons eu à faire appel à des jeunes qui aujourd'hui sont très représentatifs. Hein, c'est Fatah, c'est Carloudi, c'est Bill c'est Bachao de Dabrens, et c'est des majors pour la jante féminine. Ensuite, il y a eu du côté d'Imbala... Euh, euh, nous avons choisi euh, euh Aïda nous avons choisi hein, euh, Falloudien, nous avons choisi Abla Mbaye, etc. Donc, et dans d'autres styles que l'on pourrait appeler peut-être variété, on, pourra retrouver Queen Bees, on pourra retrouver Malouida. Euh, on pourra retrouver aussi Mariama, Mariama Ba. Euh, et maintenant, la Casamance a été très représentée à travers euh, Fakoli, à travers Ben manga Djedjou, le groupe Foni, Gereti Badji, qui est, qui est une chanteuse très talentueuse. Donc, le concept étant défini, il nous fallait maintenant essayer de voir ce qu'on appelle les ethnies pour que les ethnies puissent euh, être aussi représenté C'est ainsi que l'on retrouvera les frères Guissé qui sont de Marine Maringone Diom qui est sérieux Queen bise et Djibi Dramé qui sont mandingues, qui ont chanté en mandingue, dans la créole, même si elle a chanté en wolof. Euh, ensuite, il y a eu les euh, les wolof ont chanté, les diola ont chanté. Et c'est ça le Sénégal de la musique représentative. C'est ce qui, c'est le concept qu'on a mis en place pour qu'au moins chaque artistes, chaque ethnie, chaque diversité puisse euh, représenter euh, la diversité de ce qui se fait au Sénégal dans le domaine de la musique. Et Qu'est-ce que vous euh, Vous savez, moi, on a souvent l'habitude de dire que s'il y a 13 millions de Sénégalais, c'est parce qu'il y a 13, donc il y a 13 millions d'entraîneurs. C'est tout à fait vrai, parce que le Sénégalais aime le football. Nous avons tous pratiqué le football à un certain âge. Euh, ce serait, je vais dévoiler aujourd'hui que j'ai été connu par le football. J'ai joué au haut niveau. J'ai joué en première division au Sénégal et j'ai même joué en troisième division en semi-professionnel en France. C'est pour vous dire, et je suis titulaire aujourd'hui d'un tronc commun d'entraîneur qui me permet aujourd'hui d'entraîner n'importe quelle équipe. Euh, voilà, donc cela veut dire ce que cela veut dire. Et dans ma famille aussi, on retrouve des footballeurs. On retrouve des footballeurs. Mon frère euh, a joué au Djaraf. Euh, ça, je crois que ce n'est plus un secret. Et que mon neveu, avec qui je suis de même père et même mère à sa mère, a été un très grand professionnel euh, qui a aussi qui a été aussi été entraîné par Bokande il s'appelle Mamadou Faye, qui a été capitaine de Bastia. Sa, maman et moi sommes de même père et de même mère. Donc ce qui nous met dans l'environnement du, football. Mais en dehors de cela, ce que je retiens de l'homme, c'est son aspect culturel qu'on n'occulte pas très très souvent. Bokande était un acteur culturel très dynamique. La preuve, euh, Bokandé Bokande nous a valu, euh, d'abord il, a donné une certaine visibilité à, des images d'artistes, nous l'avons vu dans Songom de Maïdje Faye et, dans d'autres clips. Bokande aussi a été artiste-interprète de la chanson Bravo les Lions avec Aziz Samba. Euh, Bokande aussi a aidé beaucoup de jeunes de sa région euh, dans la production, sans pourtant qu'on le sache. Quand on sait aussi que Bokande était dans sa vie un fêtard, il aimait, il aimait la musique, il aimait aussi faire l'affaire Et c'est ce qui, d'ailleurs, euh, l'a poussé à s'investir, euh, à donner à, la, une structure capable au moins de retenir les Ziguinchorois pour qu'ils n'aillent aller chercher ce, ce luxe de jouissance ailleurs c'est ainsi qu'il a mis en place euh, sa boîte de nuit qui s'appelait le Ruby, Ruby du nom de sa, fille, et qui a été vraiment euh, un lieu de convergence de, tous les Ziguinchorois et de tous les cas qui, qui, venaient à Ziguinchor. Donc, Bokande en tant que promoteur de spectacle, Bokande en tant que propriétaire de bar, Bokande en tant qu'artiste-interprète, Bokande en tant que euh, quelqu'un qui a contribué à, à aider des jeunes, et surtout, Bokande qui a beaucoup contribué de manière culturelle à la paix en Casamance. Donc, tout s'est fait en fond un acteur culturel extrême, très dynamique. Donc, à la dimension de tout acteur culturel. Ça aussi, ce que je retiens aussi de l'homme, c'est surtout quand on parlerait de Bokande, on parlera souvent de deux choses. Deux choses, c'est quoi Bokande, c'était la générosité. Bokande, c'était quelqu'un qui, qui était capable de passer toute la journée avec des enfants. Bokandé, c'était aussi le patriotisme. Et c'est ce, patriotisme euh, qui en a fait aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est ce qui nous a poussé vraiment à l'aimer. Parce que quand on fait fi des avantages que l'on a en Europe, des primes de match en Europe qui sont assez conséquents à l'époque, et que pour porter le maillot national, qu'il se fasse expulser pour pouvoir être libre et jouer dans l'équipe nationale, je crois que ça, c'est quelque chose qui, marquera éternellement. Et Bokande aussi, c'était le, gagnant, c'était quelqu'un qui ne voulait pas perdre. Et tout ça euh, font que c'est des rares personnes que Dieu nous, amène un jour sur Terre, mais qui, quand ils disparaissent, seront difficilement remplaçables. Donc, euh, vu que c'est un projet euh, est-ce que vous avez rencontré des difficultés Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que personnellement, j'ai eu euh, à exposer ça à, des autorités qui n'ont pas répondu euh, ou qui n'ont pas euh, réagi. en ces autorités, je parlerai en premier de, du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor. Je lui ai envoyé mille et une messages. J'ai appelé sur son, son numéro de son téléphone. Ça il n'a jamais décroché, mais aussi j'ai envoyé un courrier, un courrier avec une main courante signée, reçue de la Fédération sénégalaise de football. Donc, euh, jusqu'au moment où je vous parle, euh, il brille par son absence ou par sa réaction. Euh, ceci est valable aussi pour certains de ses amis qui, de son vivant, étaient, étaient, étaient avec lui. Donc, c'est des difficultés, mais je le mets toujours sur le compte, peut-être, euh, parce que vous savez, au Sénégal, quand les gens entreprennent quelque chose, quand on n'y fait pas partie, on a des difficultés à, rejoindre, ou bien peut-être on a une idée que peut-être c'est des, des, chasseurs de primes, etc. Or, nous, n'étions nous animés que par un engagement. Un engagement euh, qui nous a motivés. Pourquoi Parce que euh, nous sommes dans un milieu où nous pouvons l'exprimer. Bon, c'est ce qui nous rejoindrons. Peut-être nous rejoindrons après, mais ce qui est fait, je crois que le gros du travail est fait et que nous ne comptons pas nous en être là, puisque nous faisons la totale confiance de la famille et que même son propre frère Victor m'a appelé même ce matin, sa soeur... qui était, qui était sa confidente, son ami bébé qu'on a retrouvé là-bas, est avec nous. Ses, oncles, ses neveux, ses nièces, tout le monde sont avec nous pour au moins réaliser tous nos objectifs en ce qui le concerne et qu'il n'a pas le droit euh, de passer comme un météore dans cette vie pour tout ce qu'il a eu à faire. D'accord, vu que le Seigneur se vend pas et tout, comment vous allez procéder à la euh, distribution Mais À la distribution, je crois que euh, le Sénégal, c'est vrai, a un problème de, de, d'œuvres artistiques et littéraires. Nous allons emprunter les voies traditionnelles, c'est-à-dire dans un premier temps, l'objectif c'est que ça puisse accéder dans tous les foyers, que ce soit distribué au niveau de toutes les radios et que les clips soient disponibles au niveau de, de, tout, euh, de, toutes les télés. Bon, le premier clip qu'on a fait, on a constaté peut-être qu'il y a eu des artistes qui, n'y étaient pas. Pourquoi Parce que leur calendrier ne leur permettrait pas. Donc ce premier clip euh, qui a va, va subir peut-être une correction et que si par extraordinaire ce clip là est diffusé, bon, de toute façon cela n'altère en rien, mais nous, redistribuerons encore le clip avec tous les artistes complets parce qu'il manque dans ce clip-là Tchonsek, Aïda Sam et Carloudi pour des problèmes de disponibilité. Parce qu'Aïda avait voyagé entre-temps, c'était valable pour Carlo et, Tchonsek. Vous savez, euh, les artistes aussi, ont, ils ont leur calendrier. Euh, ensuite, nous, avons des stations radio dans toutes les régions du Sénégal. Et nous avons aussi des correspondants par rapport à, nos métiers respectifs parce que moi, je suis le secrétaire général des métiers de la musique du Sénégal. Euh, Pape Madi Diop, c'est un journaliste à la RTS et que Fakoli aussi a ses entrées et ses sorties dans toutes les régions, les fans clubs, etc. On leur donnera, euh, on va faire les tirages leur donner ça afin que, au moins, que tout le monde puisse l'accéder et que tous ceux euh, qui voudront peut-être qu'on leur offre gratuitement euh, le les CD, on va essayer de trouver des moyens de téléchargement gratuit et pour permettre au moins à, tout Sénégalais, où qu'il soit dans le monde, à tout Africain, où qu'il soit dans le monde, ou, à tout citoyen du monde, qui puisse le télécharger gratuitement. Des mots, dernier mot, c'est que je me satisfais euh, de la collaboration que j'ai eu à faire avec euh, mes amis, mais surtout euh, de la compréhension et de la compassion de la, famille Bokandé, qui nous ont pris au sérieux, qui nous ont soutenus. Mais des amis personnels aussi nous ont soutenus et sans eux, les choses auraient pu être beaucoup plus difficiles. Et parmi ces amis, je pourrais citer quelqu'un comme le studio Moriuman, qui ont compris le, projet et qui gratuitement ont réalisé le clip, le monter et le mettre à notre disposition en mettant tout le confort. Ce qui est valable aussi pour euh, quelqu'un euh, qui, au moins, même si on le connaît à travers euh, c'est sorti et dans le milieu de la musique, fait des actions souterraines qui sont extrêmement importantes et qui nous a beaucoup souvenu et aidé. Dans cela, c'est Paco Jackson Paco Jackson, euh, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a été d'un support extraordinaire. Mais ensuite, euh, la collaboration a été aussi très efficiente par rapport au Just for You, qui ont mis, vous savez, une conférence de presse au Just for You, c'est beaucoup d'argent ils ont mis à disposition leur espace gratuitement. Les techniciens, les serveurs, la vidéoprojecteur, tout le luxe pour dire que c'est leur contribution à Bocardé. Donc, c'est des gens euh, qu'on ne peut pas ne pas remercier. Et à la tête euh, de, de, cette structure, euh, nous sommes et Bator Gaïmassar. Bator, c'est qui s'est beaucoup investi. Donc, c'est des choses euh, que l'on retrouve dans la générosité des Sénégalais pour dire que les Sénégalais ne savent pas quand même euh, tous fermer euh, les portes. Les Sénégalais aussi savent non seulement ouvrir des portes, mais ouvrir les cœurs et, et surtout contribuer à des actions de solidarité. Merci.